Jabuzão. Sambozão. Fiquei foi lá nesse. Nanganyo di o baro. Puis, Benzon des. Benzon des. C'est-à-dire équipe bu nekk que boobu isso ngay sol maillot équipe. ana waa Mengo li ñu ñëw jël seen bos waa Mengo. bu Mengo. moo di uh, dafa war a boole sport dafa war a boole war a dajale ay nit dafa war a boole ay nit. am de l'année dernière. Oui. Ce sont des supporters de l'Alliance euh, que vous entendez en fonctionnant derrière nous. Sommes pressés de, de, de, finir la rencontre. Les joueurs de são NCA sont tous debout. Attention, le décalage. Atenção, toujours la frappe contraire. Dégagée. C'est un on va la plus sur le banc. Ils sont tous debout. Il y a 7 minutes de temps additionnel, de temps supplémentaire. C'est parti dans la surface, dans la boîte, malheureusement. C'est un ballon de compte, c'est terminé. C'est terminé. La première victoire de la saison en faveur de l'ANC de David Gagne. que dá ah, a equipe da Aliança da cinema Do Suleiman mesmo, levando número 3 grande a Suleiman. C'est vrai que Serge a beaucoup fait pour l'Alliance. é Et que c'est Suleiman qui prend que relais, para ir na par Seu défaite. Wow. O zit je tegen Julio? Relax, relax. Não vejo até o desenho. Atenção! Revoir o gardien qui sort. Alors, bonjour pour euh, Alliance. Dégagé, récupéré par euh, AFC. Car tu l'as dit hier, le décalage est fait sur le flanc droit, malheureusement, c'est la défense qui se saisit du ballon. Il va avancer attaque. C'est blanc. Le centre est parti. gagné.